Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ci gaba da yo'o da kayan 'yan makaranta na shirye-shiryen rantre na wannan shekara. Hukumomin mulkin soji musamman kwamitin ceton ƙasa na CNSP, Brigadier Janar Abdulrahman Chani, kamar da kuke gani jirage suna ci gaba da dakon kayan 'yan makaranta na shirye-shiryen rantre insha Allahu. Mm, wanda za a yi shi insha Allahu kamar yadda kuke gani rantre na 2023 2024 insha Allahu lalle an fara shirye-shirye kayan 'yan makaranta wanda za a rabawa jihohi duka <clears throat> ana ci gaba da kimtse-kimtse insha Allah. qui sont destinés aux régions les plus reculées de ce pays euh, en vue de la rentrée du 2 octobre 2023. Euh, c'est dire que les nouvelles autorités de ce pays tiennent à ce que, malgré les sanctions injustes et injustifiées qui sont imposées à notre pays, que nos enfants puissent reprendre les chemins de l'école de façon digne avec le nécessaire. Cette opération qui va se poursuivre pour concerner les autres régions du pays s'est déroulé en présence du ministre du Transport, du chef d'état-major de l'armée de l'air et de plusieurs cadres centraux du ministère en charge de l'éducation. Communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de la République du Niger ont suivi sur les médias l'annonce faite le 24 septembre 2023 par le président français Emmanuel Macron de retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le peuple nigérien en prennent acte et attendent que cette déclaration soit suivie d'actes officiels émanant des autorités françaises compétentes. Quant au calendrier du retrait des troupes françaises du Niger, le gouvernement de la République du Niger rappelle qu'il doit être établi dans un cadre négocié et d'un commun accord pour une meilleure efficacité à Niamey le 25 septembre 2023. Ce dimanche, nous célébrons la nouvelle étape vers la souveraineté du Niger. Les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France quitteront les sols nigériens d'ici la fin de l'année. C'est un moment historique qui témoigne de la détermination et de la volonté du peuple nigérien. Toute personne, toute institution ou structure dont la présence menace les intérêts et les projections de notre pays devront quitter la terre de nos ancêtres, qu'ils le veuillent ou non. Le peuple souverain nigérien, indomptable et pacifique, rappelle le principe ferme et non négociable du départ des forces étrangères de la junte française. Les forces impérialistes et néocolonialistes ne sont plus la bienvenue sur notre territoire national. La nouvelle ère de coopération basée sur le respect mutuel et la souveraineté est déjà en cours. Notre résistance sera sans faille et s'appliquera à toute institution ou structure tentant de remettre en cause les intérêts supérieurs de notre nation. La nouvelle ère de coopération basée sur le respect mutuel et la souveraineté est déjà en cours. nigérienne, nigérien. notre courage et votre unité ont porté leurs fruits. Continuez à œuvrer pour un avenir meilleur et plus prospère pour votre nation. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. gombe shekara sittin da uku aka kawo shi tun zamanin juri da shi ake biya ne. daga mara da aka kawo shi hausa yamma ya so shi husaini uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya ya so shi saboda takaicin ne. alfujiyar fara tufa shi sa'annan lumma sun mutu yanzu uba da jikan lumma suka tufa shi biya ne tashi wata ya tsaya sa'an nan ake tufa shi kowane biyanu ake fudo shi a kewa cikin gari na 'yan gabas sai bai taɓa zuwa yamma ba sai dai gamuwa yana da ƙara ƙwarai Je vous immense pour nous, peuple nigérien, peuple du Niger, qui depuis le 26 juillet euh, est, en train de sortir massivement dans toutes les régions, dans tous les quartiers, euh, dans, tous les coins pour demander le départ de l'immédiat, sans condition et sans délai des troupes françaises. Alors si aujourd'hui nous avons eu cette information venant euh, du président français lui-même, je peux toutefois dire que c'est une joie immense qui nous anime. Mais nous ne devons pas euh, eh, eh, baisser garde. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron était sorti pour dire cela que nous allons baisser garde, pour penser que ah, c'est fini. Non, nous allons bel et bien continuer la lutte jusqu'au jour où nous verrons ceci réalisé. Il peut, peut-être que c'est une de ces manœuvres encore, c'est possible. C'est peut-être que c'est une de ces manœuvres pour sortir, nous dire ou dire au peuple nigérien que ok, je suis d'accord, le peuple, le peuple nigérien, l'ambassadeur français va sortir, il va se retirer, il va partir, les, troupes françaises vont partir et après pour nous, nous allons laisser la, euh, lutte et après ils, préparent quelque chose. Mais ils n'ont qu'à si, même tel est le cas, ils n'ont qu'à se détromper. Le peuple nigérien est conscients de ce qui se passe. Nous sommes déterminés, nous sommes prêts et nous sommes aujourd'hui prêts à mourir sur ces terrains de lutte, en tout cas que de voir ces individus sur le territoire nigérien. On est trop pressés qu'ils partent, parce qu'on en a marre plus. C'est des... Ils nous ont exploités, exploités, exploités, mais ça suffit. Comment c'est Dieu qui a amené ça, ils vont partir. C'est leur chute que ça. Ce n'est pas, de notre... pas de leur vouloir, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu est plus fort que c'est quoi la française hein? n'a qu'à partir. le Nigeria n'a qu'à être serein, de faire très attention. Parce que ces gens-là sont très mauvais, les Français. Ils peuvent surgir de n'importe comment. Ils peuvent faire leur coup n'importe comment. Hmm. De faire très attention avec eux. Je profite pour donner, lancer un message à Macron. Le Nigérien, il est résilient. Le Nigérien, il est pacifique. Mais il n'est pas passif. Nous avons décidé que nous ne voulons plus de la France. Ce n'est pas les Français que nous ne voulons pas, non. C'est de la France et de son système que nous ne voulons pas. Je suis désolé. Tant que nous n'avons pas vu le dernier Français quitter ce pays, nous resterons debout nous allons être vigilants et nous allons vraiment être là, à tout moment, en tout lieu, derrière nos autorités, derrière le CNSP, derrière le général Abdelrahman Chani. Inch'Allah, comme annoncé par lui, ils vont quitter. Et nous allons rester sous nos gardes. Je pense que le Niger a déjà assez vécu. Tout ce que nous avons vécu depuis plus de 60 ans, vraiment, c'est suffisant. Nous voulons avoir, nous aussi, le pouvoir de parler chez nous de pouvoir de bien vivre chez nous, de pouvoir profiter de notre bien, de nos biens, de pouvoir être souverain. C'est une bonne chose. Je crois que c'est ce que la France aurait dû faire dès le début, parce qu'il s'agit de la souveraineté. Et en droit international, les conséquences de la souveraineté, c'est d'abord la non-ingérence d'un État sur le territoire d'un autre État, mais c'est aussi l'égalité entre les citoyens et entre les États du monde. Donc si déjà la France est au Niger et que les autorités militaires décident que la France quitte le Niger, elle devrait partir au nom de ces concepts de souveraineté. Donc nous saluons euh, actuellement le départ de la France. Nous encourageons euh, les deux pays à, à trouver des, comment on appelle ça, à continuer euh, dans cette perspective parce que cela nous évitera certainement de ces échos que nous avions récemment connus à travers des menaces médiatiques. Ce qui est aujourd'hui évité, je crois que c'est une bonne chose entre les deux États. Ils n'ont qu'à dégrépir de notre pays, puisque franchement, le malheur de ce pays, c'est d'avoir rencontré la France. Vraiment, nous n'avons pas oublié le drame de Donkori, les autres attaques dont nous savons pertinemment que la France est toujours soupçonnée de soutenir euh, les terroristes. Donc, euh, qu'il quitte notre pays, vraiment, c'est ce qu'il a de mieux de rompre toute relation jusqu'au franc CFA. Même l'histoire, s'il faut la changer, vraiment il faut changer l'histoire, de dissocier l'image du Niger à la France. Ce n'est qu'un signe de l'indépendance de notre pays, c'est un signe n'est-ce pas, de la maturité des Nigériens, du peuple nigérien. Donc ici, on va féliciter tous les peuples nigériens qui, à travers leurs croyances, à travers leur détermination, à travers eh, tous les, marabouts, les artistes, les acteurs de la société civile, et à la première place, donc nos autorités qui ont montré à la France qu'ils nous sont plus un département français. Dans l'ensemble des pays au monde, lorsque le peuple est élu, tous les défis auxquels ils font face ont été relevés. C'est le cas aujourd'hui au Niger. Donc que le monde entier s'attende à ce après le départ, parce que le départ va se faire avant la fin de l'année 2023, que, indépendamment de leur départ, la prochaine bataille va être les accords coloniaux. Ces accords coloniaux vont être enterrés au Niger. Ces accords coloniaux, le Niger va être le déclic, pas seulement pour les trois États de l'Alliance des États du Sahel, mais pour l'ensemble de l'Afrique. Donc nous sommes très heureux et la lutte ne fait que donc on demande aux populations de ne pas faiblir. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut s'assurer que le dernier soldat français au Niger puisse quitter. L'annonce du retrait de l'ambassadeur et des troupes françaises du Niger est perçue comme une grande victoire dans la lutte pour la souveraineté du Niger par la société civile nigérienne dans son ensemble. En réalité, Macron n'a pas le choix. Cette décision relève de la compatibilité de nos autorités et du peuple nigérien qui depuis deux mois est resté mobilisé et a mis en échec tous les plans, n'est-ce pas, euh, pensés par Macron pour pouvoir déstabiliser notre pays. Aujourd'hui, il se rendit compte que son plan a échoué et il a honte de dire qu'il a échoué et que face à ça, il s'incline. Aujourd'hui, nous estimons que c'est une victoire d'État pour le peuple nigérien qui doit rester mobilisé, debout, et, jusqu'au départ du dernier soldat on sait que l'agitation de Macron, ce n'est que du folklore. Parce que le Niger, ce n'est pas pour eux. Ils vont quitter le Niger. Ça appartient à nous, les Nigériens. Euh, déjà, nous, quand on avait initié ces différentes activités dans le cadre de leur départ, on était confiants. On savait que ça allait aboutir. Parce qu'on avait confiance en Dieu. Euh, nous sommes euh, sur un ordre enseigné par le prophète, alayhi quand vous êtes en difficulté, voilà ce qu'il faut faire. Et nous sommes là-dessus et nous nous sommes engagés résolument euh, à aboutir euh, à une réussite. Donc vraiment, c'est avec joie qu'on a, on a accueilli cette information. Et Inch'Allah, tout ce pourquoi nous sommes en train de sortir pour euh, faire des prières, c'est-à-dire que la souveraineté de notre pays, Inch'Allah, nous allons l'atteindre. Nous, on ne compte pas sur la programmation. Nous nous sommes engagés, on ne va pas faiblir. On ne va pas faiblir. Et c'est une étape. Nous allons remercier Dieu nous l'avons vu à plusieurs reprises, Dieu est en train d'exaucer nos invocations. Aujourd'hui, même ceux qui sont contre nos pays, les pays qui sont à côté de nous, qui sont contre nous, aujourd'hui, ils vivent la pire situation plus que nous. Il y a des signes, il y a des signes que ces gens-là sont en train de regretter d'avoir soutenu euh, euh, ces sanctions qui sont euh, inhumaines, qui sont illégales contre notre pays. Eh bien, il nous a les bons et tous ceux qui sont MCP ne n'étions pas surpris d'entendre euh, Macron dire que les gars vont partir. On l'a toujours dit. Rien qu'hier, dans notre débat de proximité, j'ai dit la liberté s'arrache. Et merci pour ces, ces gens-là parce qu'ils ont fait en sorte que le Niger, les Nigériens sont devenus unis. Et on sera, Inch'Allah, indivisibles. C'est avec un immense plaisir que nous avons appris que finalement euh, M. Macron a pu demander à son ambassadeur de quitter notre territoire. Et vraiment, ça nous, ça nous, ça nous réjouit. Et ça ne veut pas dire que nous allons baisser les bras, parce que là, c'est juste le début. nous nous attendons autre chose encore, parce que là, on, est réellement sur la vraie voie de l'indépendance que nous avons tant souhaité depuis les années 50 et 58. Je ne même pas trouver le mot que je veux euh, euh, avancer par rapport à ça, la joie que je ressens par rapport à ça. C'est un grand jour qu'on a vu. Notre première revendication au CNSP, c'est le départ des Français et de couper toute relation avec la France. Dieu merci, le CNSP avait pris la décision aussitôt pour donner, pour donner un délai à la France de quitter chez nous. Vraiment, Dieu merci. Et aujourd'hui, vraiment, nous nous réjouissons, nous remercions le bon Dieu de nous montrer ce jour. C'est un acquis pour nous. Maintenant, c'est de veiller pour que ces gens-là ne quittent pas vraiment sans nous laisser quelques problèmes. Parce que ces gens, nous les connaissons très bien. C'est des gens vraiment, c'est des gens qui ne sont pas du tout nouveau, comme on dit. C'est sans surprise parce que nous savons qu'ils vont, ils vont quitter. Et ils savent qu'ils allaient quitter. Nous, nous attendons leur départ. Je ne fais que féliciter euh, la jeunesse nigérienne euh, pour sa mobilisation sans faille et qui a permis au président français de se rétracter par rapport à ces décisions On remercie le bon Dieu d'avoir réussi une partie du combat parce que c'est vraiment pas encore fini. Nous, on a exigé le départ des troupes françaises et de leurs ambassadeurs. Maintenant, la première phase est acquise déjà et nous attendons que dans un moment ou dans un délai, en tout cas euh, très bref, que ces troupes aussi s'en aillent. Et là, on sait que cette fois-ci, ce combat, on l'a mené et on l'a gagné il faut que les Français, ou je veux dire la politique française, commence à comprendre que le Niger a ses droits et qu'on mette le Niger dans ses droits. Parce que je ne peux pas comprendre où c'est Macron qui va venir nous dicter ce qu'il faut faire au Niger. Là, il faut lui dire qu'il a tiré ailleurs parce que ça n'a pas réussi et ça ne réussira jamais. Il est passé à plusieurs messages où il se contredit. Et cette contradiction-là, déjà, ça prouve qu'il est vraiment faible. Il est vraiment faible vis-à-vis de la situation du Niger et de l'Afrique occidentale en particulier.